assalamu aleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax seex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk yi abonné naa leen defal benn vidéo bu gën a spécial ni ma ko bëggee woon demeewul noonu sama caméra bi il faut que ma ma am lu ma ci régler un peu donc mooy gën a neex son bi mooy gën a clair aussi tamit day am fond bu rafet ak photo yi et tout loolu laa bëggoon def analyse bi analyse li ko wuteeg débrief lenn rek la débrief parce que dañuy ñëw rek match bi jeex rek ñu ñëw rek taxaw de suñu vidéo alors que analyse damay sara naan match bi tey ji boo demee RTS par exemple RTS Facebook bi

mu dess benn match pour ñu tollo ci histoire ci li dajé ak ñom donc mu nekk benn match bu xamantene bënd ay jangant yu ci def premier jàngat moy système bi man système luma neex la mo ra système luma neex souvent dama jël exemple ci li xamantene mom la gëna maîtriser muy olympique de marseille ya a différents entraîneurs yu fa jaar que ça soit bielsa que ça soit grèce avant deschamps euh, sampaoli et eh, dernièrement tudor ak yoy entre bielsa sampaoli et tudor tu apprends énormément de choses loolu day tax tey ni le système 3 3 défenseur bi xamantene football moderne yi voilà gis ngeen man City def ko man euh, lan mo taxone au début taxuma si woon sawar à 100 pour cent dama ma seen Antonio Conte Anthony Conte équipe bi gën baax mooy Juventus moy time def trois défenseurs bokk na ci ñi ko gën révolutionner quoi amoon na fi mais li gars li dañuy révolutionner ay système rek mais moy li li Zidane di wax animation mo solo parce que avec le ballon ak sans le ballon c'est différent mu doon wax ne trois défenseurs boo ba jouer dafa laaj travail bu dafa laaj dik ko liggéey liggéey mu ne lool dina di ci toom nga bëgg jouer en sélection maintenant ça demande du travail si jamono boobu Aliou Cissé bu ñu suñu contre Eswatini Sénégal yi ñoo euh, réclamer euh, football moderne la won ñëpp a doon gis euh, ak trois défenseurs maintenant dafa la yon travail Mais tax bo xolé match bo contre Eswatini mooy bii bi encaissé kii encaissé seen idée bi bu rafet boobu nonu Kouyaté égalisé Stade Lat Dior de Thiès ñorul won da ngay gis ne li ya a rien on on comprend pas alors que hier on a compris quoi on a compris que système bi c'est un système boo xamantene ne voilà ça peut marcher du moment où que boo demee ci benn compétition man pour man da nga war a doon ay armes yu bëri armes yu bëri mooy am nga 4 2 3 1 maîtriser nga am am nga 4 4 2 maintenant boo su bëree un système trois défenseurs t'as énormément de choses et que am nga les profils qu'il pour mën a jouer dans système trois défenseurs boobu noonu donc c'est assez intéressant quand bu ñu waxee ne am nga joueur mooy piston bu bu Krépin il peut jouer ça jouer na ko Bruges dans c'est un joueur assez offensif, mais euh, maintenant il a progressé défensivement parce que c'est un en France. Donc c'est un système pour manière. Donc euh, j'ai trouvé un peu sama sans Paolo bi xamante ne côté de Marseille j'ai tout fait pour comprendre système Du coup je me da ngay lire le mot trois défenseurs c'est quoi les points forts c'est quoi les points faibles. Système boo un y a point fort un point faible Les points forts, c'est na sur surnombre bi au niveau de l'attaque. Quand on parle de ce nombre, tey il y trois défenseurs as quatre mecs au milieu et si un milieu tient l'aspect offensif da ngay andi surnombre ci kaw euh, supériorité numérique day am ci kaw propre rapport équipe adverse maintenant les points faibles moy que les pistons bu fekkee da ngeen yéeg monté wuñu euh, bu ñu point fort il faut essayer de marquer xam il faut être efficace devant les buts parce que les temps faibles les euh, gars yi bu ñu mënul daw la but donc c'est un point faible et l'animation offensive on l'a pas encore trouvé entre le milieu et l'attaque lolu bu ñu ko trouvé parce que en 4-3-3 on a plus d'occasion parce que c'est plus facile te milieu relayeur ñu jouer sur les côtés et de marquer donc c'est un boo xamante ne bon mën nañ ci wax lu bëree bëri mais pour man lu baax la Coupe d'Afrique xam donc c'est différents systèmes léegi lañ mën a wax si joueurs yi et li nga xam ne nii yaa fait un arrêt si si match bi mooy arrêt boobu mu a mais à part ça ça sonal quoi loolu déggoom entente am ak Kalidou Koulibaly mais à part ça ça va quoi Euh, au niveau de la défense top quoi défense euh, Koulibaly euh, Niakhaté ak keneen di Koulibaly Niakhaté ak j'ai kii le nom déjà xam tout bi tout bi réer na c'est Koulibaly la Niakhaté ak Cheikhou Kouyaté Kouyaté la plané quoi Kouyaté il a fait son match je trouve que Kouyaté sur les balles arrêtées il est bon Kouyaté beaucoup de def joueurs il du décevoir ma le fait que ma gis ça titulaire je me suis dit mais waouh, Aliou pourquoi appeler cinq défenseurs pour mettre Kouyaté on n'a pas compris dis-moi que c'est un test c'est le moment de lancer un Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye voir lan la man parce que xam nga ne du titulaire du côté de Coupe d'Afrique faut le lancer euh, bi ma gisee jot kii tamit euh, Krépin Diatta j'aime bien Krépin Diatta mais pour noonu boo woowee non Afrique da nga maintenant nak faut dire la vérité ça a très bien marché ça soit Kouyaté kañ sonal ko même si jëm wonté à l'aise quoi et que man pour man équipe bi li ma si gën a nekku nekkuñu à réaction mais on est en action avant Sénégal il faut ñu dugal ñu bi wala ñu demee ñu ñu bëgg nek en action cette fois ci on est en action même ñu téebal possession on les dara et on a coupé la liaison entre Vincent Aboubakar ak ñom et ak Toko Ekambi ak euh, Boum. donc gisuñu dara et les pistons ont fait la taf donc ñaxati encore une fois très bon match dans les deux c'est un ancien défenseur Moi, à la à la à cale du club c'est des défenseurs qui xam ne ñuy sa kaw lu ñu dara donc euh, ñaxati c'est ça Coulibaly techniquement parlant on a vu que c'est pas mal Kouyaté dans l'intelligence était là donc Vincent Aboubakar, je pense que wanewul dara donc, Krépin Ndiaye il a fait son match. Juste que, pour moi, on doit ajuster ses centres. Parce que du moins, où un élément offensif, les centres, beaucoup gagner ajuster. Tu peux avoir plus de passes décisives. Et parfois, il se match, c'est un peu moins qu'Ismaël Sarr. Parce qu'Ismaël Sarr, il veut dire l'espace, il Krépin Diatta, il veut grignoter un peu le ball. quoi. C'est plus un zone de but Maintenant, si ajuster au les centre, il y a beaucoup de passe non. Moi, le contrôle, il passe, il y a centre, il passe, mais sinon, défensivement, il y a une action qui est double. Krépin Diatta, il est donc il a fait son match, même si en deuxième période, j'aurais aimé 10 minutes, ça, non, fatigué, mais bon, il a fait son match. Jacobs aussi, il est en train de monter en puissance, il est en train de monter à halluciner avec Sénégalais que, instant, voilà, il est au top et que, voilà, maintenant, il y a il a fait son top. C'est parce que, il suffit juste de les réseaux sociaux, il y a Jacobs, donc il a fait son match, Au niveau de notre milieu terrain, Naples Mendy, euh, ak keneen kii di Pape ça, mal surtout que Je Mendy instant il est indispensable a un équilibre tu vois que euh, nous avons amee contre Algérie bi ko donc ballon du passe passe toujours xam un facilitateur de jeu c'est un gars boo xamante ta t'as Sadio Mané mais Ismaïla Sarr t'as il te donne le ballon il le récupère il le donne il donne le temps donc c'est un gars boo xamante man bi assuré na six bu pur et c'est des joueurs très rares euh, aujourd'hui football moderne bi boo amee yu mel c'est bon pour la pour la pour la confiance et que l'expérience tu sens que c'est un gars boo xamante il perd peu de ballon manam du perte ballon mata Matar ma Massamba la semaine la première période nice rien à dire en deuxième période plus compliqué je trouve que dans ce système là pas Matar Sarr dafa waroon andi surnombre ay frappe de balle ay yooyu yëpp da ko de def maintenant que def ko am na gaañu il faut plus voir pas Mata Sarr pour l'aspect offensif il moo ko waroon après ndax moom la ñu war a tegoon c'est un système bu xamante ne gars commencé quoi au niveau de notre attaque Sadio Mané il s'appelle Sadio Mané mais Sadio Mané à pas son but il n'a il rien fait donc faut commencer à réfléchir comment mettre Sadio Mané dans les bonnes conditions peut-être c'était un match difficile un match bu xamantene wo waroo jël yenn risque yi un match bu xamantene Sadio Mané jóge na de Arabie Saoudite ñëw euh, France jóge France dem fi Côte d'Ivoire jóge Côte d'Ivoire ñëwaat France le voyage de gauche à droite mën na mën na peser et que euh, voilà bon il a essayé di peut-être du ma def euh, voilà non sens boobu mais on n'a pas vu grand chose de Sadio Mané quoi et il faut essayer actuellement retrouver le doublure de Sadio Mané comme moo waroon nekk banque remplace Sadio Mané loolu moo tax mu andi pas Ousmane Sall ay Demba Seck ay Aboubacar Koïta ay Amara Diouf man nak ci bokk donc il faut commencer à réfléchir qui doit être le remplaçant de Sadio Mané parce qu'il est temps quand même de préparer l'avenir pour 2026 on ne dit pas que Sadio Mané est ko attention mais on dit que on war au cas où Sadio Mané 6 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes mu remplacer quoi Ismaël très bon match c'est le meilleur attaquant je trouve maintenant efficacité moo bu on n'en parle plus mais euh, il a fait son match c'est bon, on tout ba ni may di wax sais pas Ismaël comment il a fait pour rater occasion bu ni même? je sais pas comment il a fait en tout cas loolu ko doon dugal sinon tay jii ni euh, kenn waxatu ko ñëpp a koy tàccu soit nga dugal wala nga passe quoi mais raté comme ça Ismaël Sarr waru ko c'est un gars bo xamné qui a besoin d'espace qui a besoin de courir et voilà am donc euh, pour moi il a fait son match Habib Diallo très compliqué hein. il a eu peu de ballon kenn passe quoi. on sent que il n'est pas en confiance du côté de Arabie Saoudite loolu mo nekkaat si terrain bi les rentrées de Gana c'est c'est assez intéressant pas de six voilà dans la dans l'agressivité pas de six mo fi Abdou Diallo pour man gisuma woon lu tax muy dugg parce que humiliation la gën a dugal quoi quelques minutes yooyu bu ci dugal waaw parce que booy la a dugg j'ai pas compris tamit pourquoi booy bi tamit booy sa jour bu ñëwee doo ko convaincre du ma sa joué parce que au retour de bu ñëwee kay kay lay du ma du ma ci àddina Je j'ai pas compris ce choix là ak moment Diallo bi c'était maintenant bi dernier match test wala boog éliminatoire coupe du monde rek leen di teg xam après coupe d'Afrique moo donc euh, on n'a pas deux matchs on n'a qu'un seul match donc fallait que l'on dee mais les benn minutes ben dix minutes saa yu ñëpp bi non il n'y la def de mais wala il n'a pas le niveau c'est quoi le problème c'est que on on on comprend pas donc euh, grosso modo après euh, en première période on était cool nice rien à dire en deuxième période on a reculé un peu et c'était normal parce que football il gis un temps fort un temps faible il faut que ñu ait un temps faible mais euh, de manière générale, globalement, on, a privé de ballon euh, euh Camerounais. Et franchement, pour avoir Khol Ikibini en Afrique, non, Khel Dalna quoi, pour Khol Guinée, Khol la Guinée, Khol la Cameroun. Mais je trouve qu'au euh, niveau de l'Afrique finie, il y a deux équipes là qui jouent avec Sénégal. D'ailleurs, Sénégal qui Khol le football. Côte d'Ivoire, Nigeria, et Maroc. Quand vous êtes Sénégal, vous êtes 5 ans. Di Tcharo, di Khar. Et Gambie, l'on l'a Khar. Guinée, l'on l'a Khar. Guinée, Guinée, ça m'a Cameroun bi loolu lay xaar ku fi dee Sénégal pour nga fi taxaw ñi caru loolu ngay xaar pour gagner coow li muy bëri yëpp ba mais boo xoolee continue bi Algérie xam nga ne yàlla mën yàlla mën boo ko dugalu tey ji kenn wax pour man défaite buy defar la défaite bu ñuy interpellé la donc pour man on a fait le taf et euh, ci commentaire ma ngeen wax seen xaar propos ak euh, match Sénégal bi man daal jàngat yu bëri ñu ci am lii la ci commentaire wax leen ma jaajëfal naa leen ne ko baax wax leen ma TV